C'est par l'hymne national que ces tout petits garçons et filles de l'école maternelle Cœur boss de Barnigoré ont ouvert la cérémonie de pose la première pierre d'une deuxième salle de classe offerte par le citoyen du monde Ibrahim Assek. Puis, les tout petits décortiquent les composantes du drapeau national, tout un symbole. La promesse est devenue alors une réalité. L'homme politique est bonne volonté, mais du ciment partout où il passe. La directrice de cet établissement, des quatre classes, loue le geste de leur généreux donateur, Fatim Sek. buur digaat ñu beneen saal bu ñëw ne dafay def yàlla dogal politique daf ko loolu moo tax beneen fànn day feeñ ndax moom bi mu ñëwee sax ku nekk pare boobu Tari de loge de ce qu'a fait le soutien du monde Ibrahim Sek. Mais d'emblée, il faut retenir que cet établissement fait beaucoup d'efforts malgré ses maigres moyens. Youssouf Dia, le maître arabe, se lance. ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم قال آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام علينا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Pour conforter son bienfait, Ibrahim Asek, non content d'avoir voulu aider cette école à avoir une infrastructure digne de ce nom, compte remettre cela et poursuivre ses gestes répétés partout dans Barnier. parce que makaan bi nekkone peut-être que commencé won na di am risque yalla si katanam ak mbaxam ñu tambaliko, waxtan ci si ak suñu xarit ak suñu am di jam ñu jàpp si ba mu dogal mu soti ñu ñëwaat fi inaugurer ko ak yeen ñaanon yalla mu may ñu katam ñu ñëwaat fi ba keroog muy nekk école ñaan gogu yakarna ni nanguna ba ñu mën fi ñëwaat tay di waxaat waxu defat benen place kon yalla momu ñu manal loolu kàttanal ñu ba loolu mën a am moom ñu ngi koy sant te di ñaan itam moom mu dolli ñu di ñaan moom mu jàppale ñu mébét bi ñu am si maternelle bi ñu yeggale ko parce que suñu yéene lu mu nekk maternelle mais suñu yéene mooy xale yi fiy jàng ñu nekk ñoo xamante ne ëllëg dañuy nekk ay responsable bi nekk ñoo xam ne dañuy doon ay kilifa si dëkk bi bu boobaa mu doon ndamu bari parce que dafa am philosophie bu may doxee man waaw dafa am philosophie bu may doxe te dama nekk produit ISM bu ma ko parce que suñ slogan école mooy today ISM tomorrow the world Abdou Diouf daf ñu seet si wax fa wax bu am solo wax boobu dama ko jàpp te ba tey lu muy jéem a def si kàttanu yàlla si loolu lay dëgg sama tànk daf ko wax si tubaab ni ne refusons pas aux jeunes générations l'opportunité de réussir là où nous avons échoué au contraire soyons huit places à la pose de la première pierre et là aussi tout a été prévu pour le bon déroulement. Désormais, cette école maternelle peut prétendre à s'élargir avec l'appui des mécènes et des bonnes volontés comme Ibrahim Sec pour que dans cette école de Barnigetch, l'on n'ait plus à envier qui que ce soit dans les environs, surtout les parents des tout-petits.